amsa kan shirin tus ala fada da fatan kuna lahiya duk inda kuke shuraren mu. Yau fada mun dawo bakin isa. Au micro, Amine Kutukulum, Rabi azura Azra diba 38 degrés. Il fait chaud et quand il fait chaud, matasan nyame suna hitowa su zo wajen shakatawa su shiga ruwa su yi wanka da abokansu su yi su avec les amis, c'est ça? Et puis quoi encore? Barbecue, musique, ku dai abin da yana da ban sha'awa to kare ta har promenade da ake yi bakin ruwa mu dai <laughs> titanic titanic kuwa Yara titanic <laughs> to wa'annan in suka zo nan ga yaya ne suke wannan shakatawa tasu kuma isi pren menene ake kawowa menene ake yi ke sa yau muka gayyato matasa waɗanda suka zo nan ENGS kuma suka haɗu da wasu matasan da muka tar da hallau mu zo mu hira da su bisa kan wannan shakata da ake in zahi ya zo bakin ruwa a wannan fadar muna tare da Abubakar Kamu, agence événementielle Bon Karma. Ça va mhm. Abubakar? Ça va bien, je vais bien. Ok, ko ina gane harkan fiesta kuke ta bakin ruwa. Voilà, donc on organise les événements, pique-nique, ouverts à tous. Ok. Donc euh, des, des marches, Boussa des promenades, tout ça là, des promenades. Voilà. tu insistes, ouais, tu <laughs> promenade là. Ah, je vais oui, t'inviter à te ah, promener, il n'y a pas de problème. J'aime bien. J'aime bien. <laughs> à ce soir, nous sommes également avec Samir Ouattara. Samir, ça va Présent, bonsoir. Un jeune branché, Ignawe. Effectivement, tout à fait. Il n'y a babu irin fet kin za ta ya. Non, ba bari. Ba c'est pas baya. Dole ne. A wannan fadar kuma muna tare da Moussa Yahya un autre jeune branché de la capitale que nous avons le plaisir de recevoir surtout à la fada Comment kamar a duka fada kuma chronique Olivier Les Olivier chronique on a mi ça va Ça va Ce soir euh, dans la chronique on va parler du fleuve mais avec un chercheur je te donne pas plus de détails on, on se prend à la fin Ravi Ok <laughs> D'accord <laughs> Issa Fada. Bakisa. Oh, c'est bien. <laughs> Tout ça, la fada, Tazo. Issa Merci beaucoup, les gars. Merci. Applaudissez pour vous. On s'applaudit. Inatune, oh <laughs> c'était en avril 2018. Les autorités de Niamey ont fermé tous les coins de détente le long du fleuve. De Kadei inda dai matasa suke tahiya da wannan dauka da aka bayan an samu nitsewa matasa da yawa cikin wannan ruwan isa shi yasa dai wa'annan shugabannin suka ɗauki wannan doka ta liƙe wuraren da suke ta suna shakatawa amma kun san matasa in suna so su yi in abu na birge su da ket ake da kurajen su Dans ce reportage réalisé par Habib Garba, des jeunes réagissent sur la question. Nous sommes ici avec la Fada Melefe, un groupe de jeunes régulièrement dans les jardins de Kanazi pour faire le show et se baigner. Mais pourquoi ils ont choisi Kanazi malgré l'interdiction de la fréquentation des rives par les autorités Voici leurs arguments. Si, si, il y a une interdiction, mais les interdictions ont été eh, faites pour le bord du fleuve de l'INGS, je crois bien, et surtout la pilule parce que c'est là-bas que les jeunes se rencontrent trop se promettre de faire du n'importe quoi. Comment on a l'habitude de les dire, et boucler avant l'arrivée du carême, on n'a pas amené des copines. On s'arrête juste au bord du fleuve euh, pour minimiser les risques. Quoi. Avant de venir ici, on a demandé aux riverains s'il n'y a pas trop de risques. Comme une attaque des hippopotames, qui sont très fréquents au bord des fleuves. Je reviens vers toi. Kurokuki événement Kinku Irwana Kuna Yanzu, comme vous êtes plus dans le show que moi. Mhm. Kugayamini, c'est quoi le nouveau coin Yanzu do Matata qui sont ici? tout ça là Yanzu Mouji Kanadi, Kumuji NGS. A quoi sourare, comment le Kurokuki est content Eh, to. akwai wajaje da yawa par exemple in ku ɗauka euh, hanyar pilule juste mhm. avant d'arriver à la pilule il y a euh, un espace là da ma caraïbe donc, euh, c'est. Oh, <laughs> <laughs> voilà, donc euh, c'est sur la voie de la pilule, euh, juste à 300, 400 mètres comme ça avant la pilule. Ok. Donc, c'est un jardin avec des paillotes aménagées sur l'eau. Donc, des manguiers, et comment on appelle ça, avec un bar et ça donne envie tout ça, hein? ça donne envie avec un bar, avec et une cuisine euh, avec tout le nécessaire. Bon, Donc, bon, introduction qui on a trouvé euh, des... Des coins. <laughs> Des coins, Comment, euh, des coins quoi. <laughs> des petits virages pour éviter l'interdiction en fait. Ok. Et comment on évite l'interdiction là À travers la... Disons, disons plutôt à travers l'innovation. parce Parce qu'on peut dire que bon, on connaît tous l'UNGS, tout le monde peut venir et puis il n'y a, pas, a pas de contrôle en fait. Il y a plein de monde, il y a plein de monde, mais là, le Caraïbe, c'est tout un autre niveau parce que là, dès l'entrée, on sait qui est rentré, qui est rentré, Bien posé, sécurisé et tout quoi. comme ça c'est plutôt free mhm akwai wurare kamar biskan duwatsun ga mm. kamar biskan duwatsun jar nan in kun vous avez la vue de Nyame euh, à votre à votre comment dire à côté à côté à côté voilà vous voyez tout Nyame, tout Niamey ah les immeubles tout, tout ça vous... tout tout tout tout vous allez voir Niamey Niala de là-bas. Vous allez voir les lumières parce que nous, on avait l'habitude d'être là-bas depuis que Niamey n'était pas Niala. Ah ouais. Ah, maintenant, ça a changé quand complètement. Ça a changé. Ça a changé. Tu vois, les lumières ça, a une vie vraiment impeccable. Et ça attire beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes partent là-bas, hmm. surtout les week-ends. Récemment, on a organisé, euh, comment dirais-je, un truc là-bas qu'on a appelé, a appelé euh, euh, chilling party, vue d'en haut. Donc on l'a organisé, oui, vue d'en haut. Vue d'en haut. Vue d'en haut. Chilling party, vue d'en haut. Ça veut dire quoi ça donc ah, c'était. Ça veut dire tout, tout, simplement que voilà, tu pars là-bas, tu es à l'aise, il y a les brochettes, il y a les grillades, voilà, il y a les amis, et autres, et tout, il y a la sono. Tu vois tout niamé. Bon, tu n'auras pas besoin de dire j'ai faim ko ina so in sha wani abu ko tute deja place akwai komi wani duk abun da kana iya so akwai Déjà, ah. Wajan, c'est un peu éloigné. Ouais, Aboubakar. Wajan, c'est un peu éloigné. Kenan, in ka je har saman dutsi le fait de revenir, ka ce ka nemi wani abinci ko wani abu haka, ça va te fatiguer. Kenan, nous, on a pris les dispositions, mun kai abinci, jus, roi komi. Komi de komi. Et ah l'entrée ah, a été gratuite. Si tu viens, tu consommes seulement à Chouralankou, vraiment autour de cette affaire de détente, de loisirs, euh, pendant la chaleur, il y a un gros business qui se forme autour de ça. ah là là là là. l'utile à l'agréable. <laughs> C'est bien ça. Il bani indawo gare ka Musa. Kaga ya min wannan wuraren da ake tahiya c'est parce que bon, c'est gratuit plus que les piscines koko yayane. Me yasa ake son Il wannan wuraren? Inda eh, bus de ko? bon bisu duwatsu nan ga na ga matasa nan ga da yawa kuma da kingin wuraren hallo Oui, Moutané n'a pas à parce que parfois Moutané, ils n'ont pas le, les moyens de d'y aller là où c'est. Basu de Wour, eh, Kouding, Tehia Wourinda, Anke aménagé, quoi. Comment sous piscine, quoi. Comme sous piscine, voilà. Mm. C'est sous. Ils se sont créés des endroits dans, dans, dans, dans chaque état. Ouais. Dans Chine, souhaité à Ourarana. shakar a wannan lokacin na zahi da matasa suke zuwa nan bakin isa suna shakatawa suna shiga cikin ruwa suna iyo to akwai wanda suka mai da ma wannan wurin wurin wasannin motsa jiki a wannan fadar ta mun tabo shai bugondi director technique federation nigerian de triathlon ya zo nan tare da matasan shi muna so mu san yau mine ne kuka zo tare da wani matasan me kuka zo yi nan ga lalle mun zo abin gane motsa jiki mm. saboda muna da muna eh, préparer une compétition internationale. Mm. Donc, on samu compétition qui mu sa an yi ruwa a ta hau velo na kare da gudu shine triathlon kin. Okay. Donc uh, donc uku ne wanda hmm. ke ji tri kin uku. Mm. Ruwa sannan velo sannan gudu. To yanzu ga kuna Isa. Yanzu yau Isa mun zo mun yi da Isa tunda ba mu iya tsaya da velo da gudu tunda dole sai mun yi da ruwa. sai an yi da ruwa don shi yasa yanzu muka ce za mu zo mu gani wanga waje muna samun wajen da za mu hara antarama da yaran mu shi yasa muka ce yau mu yi aquatlon aquathlon shine a yi ruwa a hita a yi gudu kuma a yi ruwa daman sun iya kowa yanzu da kuke koya a mu yaran mu kwari ne dan akwai champion da afirka tare da mu da yawa duka yaran da kuka gani nan ga yaran da kuka gani ma maya maye yan eh, eh, eh, triathlon ne Okay. Muna da champion d'Afrique da yawa a su. To, ku taba, ku taba champion d'Afrique mana. Ah. Yawa! To, yanzu kuna aiko tanta min just le weekend ake tahiya ko ko yanzu dai finalement kullun ne ma. Ha? Hein? Samir, just le weekend ake tahiya. To, sa depend in mutum na da lokacin tunda ni wata ran ina sabka disetor daga aiki banda abun yi ina iya ta can wurin kawai dan in shakata in bar lokaci ya huce don in dawo gida in kwanta kwa mm. babu eh. saburo babu komi amma dai le Wow. Monday, <laughs> le moment le plus propice, c'est quand tout le monde peut se rencontrer. Inda kowa na ya kana wani abocinka da ka daɗe da shi kuna iya gamuwa wurin ba mm. kenan wanda weekend ya hi le weekend c'est le jour le plus propice voilà. d'accord to kun san kamar san wannan fadar muna muna shakatawa ne yanzu za mu je mu shakata da wakar fuzi odg dangerous love dangerous love fuse odg and spz what we tell them blaze them look at you in that dress girl you dangerous like a gun give them you nothing less girl you murder everyone your love is a killer your love is a killer Look at you, in that dress. Girl, you dangerous like a gun. Give them you, nothing less. Girl, you murder everyone. Your love is a killer. Your love is a killer. Yeah, look at you. Somebody call the popo. Cause the way that you looking is so cool. If you ain't ready, then you need to go home. And beware, you see her rolling on the solo. She got me begging, hold up. And she all up Girl, you murder everyone. Your love is a killer. tare da waɗannan matasan da muka gayyata a nan bakin ruwa nan ga ENGS inda muke na muna hira da su bisa kan irin harkokin da suke na shakatawa irin wasannin su ko irin haɗuwar da suke tare da abokan su a wannan bakin ruwan koko cikin jardin kamar da su kwatanta muna irin wannan weekend koko dai marece wannan shirin namu ka kuma ce in kuna so ku ba mu ra'ayin ku bisa kan shirye-shiryen ga namu kuna iya rubuto mana a lambar mu ta WhatsApp 80 06 88 54 to yanzu ina so in sani akwai tare samun in au bord du fleuve, et on a yi don ta réussir gaya donne nous des astuces donne à tout le monde des astuces abubakar abou nohari hmm. eh, il faut que ça sa wurin yayi ambiance wurin yayi dadi mhm. dadi il faut ambiancer l'endroit ok euh, tout le monde n'a pas le moyen les moyens de faire euh, des grillades coco on abu mm c'est juste l'été, être en bonne compagnie. Ah, tout ça là. voilà, se distraire, se libérer de ses problèmes quoi. Donc mm. c'est un peu l'essentiel. Comment c'est une musique Voilà, est musique wansu abokai da sun kai Et hakan ga vous pouvez danser entre amis donc mm. donc euh, ça se fait les jeux et les jeux

musa gaya mana ga experience yinka ta show ta fed ta duzala akwai wuraren da ya kamata a yi evite vraiment akwai wuraren da ya kamata a yi evite kamar wurin ga da muke yanzu mm. vraiment ina ganin kan a dinga eh, wanda bai kai wanda bai irwa ba ya yi nisa da shi kamar in ka san ba wurin ka bane ba ka sake wuri mm. in kusan ruwan bai maka koma cikin jarran ka yi zaman ka in baka irwa in baka yi zama san in ka san baka irwa ba ka ce sai ka shiga cikin ruwa in kana kusan ruwan kenan ka zamna wurin da babu ruwa nesa da ruwa nesa da ruwa to ni da nake nan ga an taba dauka na aka tilla ni cikin ruwan ban tambaya ba ban ce ba akai aka dauke ni aka tilla ni cikin ruwa yawa kuma ah. akwai zahi yanzu period kin zahi ne mu duka mun sani kenan wata rana vous aurez tout simplement l'envie de prendre un une bonne bouffée d'air. <laughs> Donc vraiment ya kamata wurin wurin ga ayi abun ga kin shi. Ayi aménagen shi a samo kakanda director kin ya hodi zungara directeur technique kin a samu waɗanda za su kula da wurin tunda nan gane la majorité des, des morts qu'on entend à la radio à la télé au fleuve c'est to yanzu ai kuma irin wannan sware organize ko raisonnablement ba ko ina bane ake samun shi akwai wasu matasa ana wani shaye-shaye wani fume-fume doki doki kan wani magana ba su kan wannan abun mm, abun da na gani cikin tsani ya kamar wani shaye-shaye da wannan da mm. akwai shaye-shaye akwai akwai wa'annan abubuwa da ba mutane ba su so su gani ina zantar shaye-shaye ga wani nan kusa da ni da kwalabar shi yawa sai hankali abin abubakar masu son wannan shaye-shayen da ne ku yanzu kun zo kun yi wannan fetikin nasu babu abun kora ya ne ya matasa ke karban shi safa oh, su ne su ga bisa zuwa kun san legion vala kwa shaye-shayen ya yi yawa yanzu tout donc euh, on peut pas empêcher à ce que kana son abun ka shashi mais on essaie voilà de limiter tout ça quoi in ka zo même si tu prends ta bière ko ko wani abu haka wanda sai tun kahin ka shiga mu ja maka hankali mu kwatanta ma da wanga wurin sai fa an liyo ba wurin kwaliya bane ba wurin kwaliya bane <laughs> ba bar bane ba bala mm. ya certains principes da ya kamata certaines règles da ya kamata ka bi Donc, euh, voilà. en fait, il ne faut pas déranger les autres. Pas quoi, déranger avec... les autres. Euh, ce n'est mm. pas parce que quelqu'un a ou Kana a changé, Wani a changé, Donc, il y a des personnalités, des, des, des grandes personnalités de ce que juste parce qu'ils aiment l'ambiance qu'on crée. Et ils aiment profiter de, de, de, des paillotes là qu'on a sur euh, aménagées au bord de l'eau. Donc, sous on un et ils mangent il écoute de la bonne musique sur tes donc quoi wayansu kuma da vraiment bas su iya taya Irwa wa'anga wajajen ga busi kai kayan su donc euh, on peut pas moucher Kawe gingingin haka ba su de zawa mais on essaie tout au mieux de voilà ben, quoi est le sujet en l'écart de chacun quand que tu restes tranquille babu Paga et babu ok muna nan tare da matasan wanda muke nan tare bakin ruwa a nan engs muna nan muna hira bisa kan an suke shakatawa in zahi ya zo irin wannan suna tahiya bakin ruwa ko suna fetkin su suna fiestan su a bakin ruwa ko cikin jardin suna nan suna kwatanta mana a kanadai ake yi kuma da ya kamata a yi furkiyo a ce fetkin ta yi daɗi to zan mu ƙara kuma mu shakata avec Akon. It's been so long, long. be strong, strong, but the strength I have is washing away. It won't be long, long before I get you by my side. shine with me. One that'll grind with me. One that'll grind with me. I want you to fly with me. Want you to fly. fly. Miss how you lie with me. Oh, miss how you lie. Wish you could dine with me. Wish you could dine. One that'll grind with me. Oh, one that'll grind.

mutum mm. bai iya ce ya bar abu samsam haka mai kuma in kana yi ka yi da hankali kwa mm. parce que ba abun da ba ka iya hita brusquement haka ko ko ka ce ka daina brusquement mm. parce que tout eh, l'alcool la shisha

Parce que oui, c'est vrai, on est jeune, c'est vrai, on se sent fort, c'est vrai, on se sent invincible et mhm. tout. Donc, euh, sincèrement, il y a kamata ça, il y a fiesta. Comme quand a yi dérangeant, quoi. Quand a yi dérangeant, kingin, eh, mana, mhm. voilà. c'est juste mon mot à dire. To, bari da gare ka Abubakar kai kuma magana ka ta karshe, le pro des fiesta. <laughs> <laughs> C'est, voilà, c'est vrai, il faut s'amuser, il faut se distraire de la vie. On n'a qu'une seule vie, il faut en profiter. Donc, mais des fois, il faut aussi que Il diba lahi jikinka quoi. Il faut hmm. pas trop abuser. <laughs> On va aller sur ta chronique, le fleuve. Tu disais Je disais que si c'était en juillet, mhm. ici, ça serait de l'eau. Mais aujourd'hui, on a du sable et ce phénomène s'appelle l'ensablement. Mhm. Vous avez compris, ce soir, nous allons parler de l'ensablement du fleuve Niger. Est-ce qu'un jour, on pourrait se réveiller sans fleuve C'est la question que l'équipe de la FADA s'est posée cette semaine. On peut pas. Et j'ai essayé de trouver des éléments de réponse. Ah. D'abord, nous allons parler de l'ensablement. Par définition, l'ensablement est un dépôt de sable formé par l'eau ou par le vent. C'est l'état d'un lieu rempli de sable. Et si nous parlons du fleuve Niger, long d'une longueur de 4180 km, le fleuve Niger est le troisième plus grand cours d'eau d'Afrique qui traverse certains pays du Sahel, dont le Niger. Il est de plus en plus en proie à l'ensablement. À la question de savoir est-ce qu'un jour on pourrait se réveiller sans fleuve, le professeur Abou Boutianti a répondu. Et donc, qui dit dégradation de la végétation dit érosion, l'érosion éolienne et l'érosion hydrique. Donc, euh, à travers le ruissellement, il y a des tonnes de sable qui sont transportées dans le lit à travers les différents affluents. Donc, les différentes menaces qui pèsent sur le fleuve Niger, c'est ces aléas climatiques, les changements, les effets des changements climatiques. Il y a aussi les actions anthropiques, c'est-à-dire les actions euh, dues à l'homme, à l'action de l'homme. Et au titre des aléas climatiques, il faut noter, comme je l'ai dit, les sécheresses. À l'échelle du temps humain, c'est-à-dire euh, sur les 100 ans, on ne peut pas prévoir une disparition du fleuve. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que si le rythme se maintient, il est à craindre que peut-être à l'échelle du temps géologique, c'est inquiétant en tout cas, c'est inquiétant. À l'échelle du temps humain, c'est pas évident que le fleuve disparaisse, mais sur le temps géologique, c'est possible. C'est possible. C'est possible parce qu'il y a eu des, il y a eu des fleuves qui ont, euh, qui ont disparu. Déjà, euh, on sait que tout le Sahara, par exemple, de, au Sahara, c'était à l'époque, euh, euh la mer existait, l'océan existait à l'époque au niveau du Sahara. Aujourd'hui même, ça, ça, a disparu. On sait qu'en Libye, il y a, il y a un fleuve, Koufra, je crois, ça, ça, ça s'appelle comme ça, qui qui a aussi disparu. Sur euh, l'air euh, humain, c'est-à-dire dans les 100 ans, ce mhm. n'est pas évident. Mais sur euh, l'air géologique, c'est évident, c'est possible. On ne serait plus là alors. Alors, il est fréquent de voir le lit du fleuve rempli de sable. Cette situation observée à certaines périodes de l'année nous fait poser plusieurs questions. Quelles sont les causes de l'ensablement Il est clair que l'action humaine fait partie des causes de cet ensablement. Mais puisque le fleuve n'est pas seulement en proie à l'ensemblement, il faut aussi rappeler que la pollution est l'une des animaux et des poissons. Rendez-vous demain avec Mr. Dondi pour en parler. D'ici là, portez-vous <laughs> bien. Et si vous êtes riverain du fleuve, prenez-en soin, c'est notre bien commun. Merci pour la chronique, Olivier. C'est la fin de tout ça, la fada suka gaya mana an suke suna fiestan su in zahi ya zo to yanzu dai mun ji komi on a entendu les bons plans les bons coins de Niamey donc merci et eh, les bons calma <laughs> c'est la fin de tout ça la fada gobe sai kun haɗu da abokin aiki na dundi shi kuma zai yi zancen tuske risk cikin wannan wasannin da suke cikin wannan haɗuwan da suke matasa bye bye salut tout le monde au revoir bon samedi